le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du le forum du studio le forum du studio Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum de studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme de studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 38 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème préparatif et évolution de la campagne agro-silvopastorale de 2019 au Niger enjeux, défis et perspectives. La campagne agro-pastorale s'installe progressivement à la faveur d'une situation pluviométrique favorable avec des cumuls estimés moyens à excédentaires selon les régions. Cette situation pluviométrique s'annonce favorable pour une production agricole et fourragère moyenne et un accès alimentaire suffisant en période post-récolte d'octobre 2019 à janvier 2020. L'approvisionnement des marchés est normal et régulier pour les produits vivriers locaux, notamment le mil, le sorgho et le maïs. À la faveur des bonnes disponibilités céréalières, la demande des ménages est restée globalement stable sur les marchés et les prix des denrées présentent des niveaux stables dans leur majorité par rapport à la moyenne quinquennale. Les conditions d'alimentation et d'abrivement des animaux sont moyennes à la faveur aussi d'une bonne production fourragère enregistrée l'année passée. La disponibilité du pâturage est estimée au même niveau que la moyenne saisonnière et les compléments d'aliments achetés sur les marchés pour supporter l'alimentation du bétail coûtent les mêmes prix que d'habitude, rapporte le site d'information du bulletin d'alerte sur la sécurité alimentaire FuseNet publié en juin dernier. Avec nos invités, nous allons chercher à comprendre à travers une analyse de ces données, le niveau de préparation de la campagne agro-silvopastorale 2019, ce qui a marché et où des difficultés sont apparues, mais aussi espérer obtenir des recommandations pour des meilleurs résultats dans ces deux secteurs vitaux de l'économie nigérienne que sont l'agriculture et l'élevage. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Issa Jibo, directeur de la vulgarisation et du transfert de Technologie à la Direction générale de l'Agriculture au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, Issa Jipo. Bonsoir. Bonsoir. Et El Haj El Mansour Mohamed, secrétaire général du collectif des associations pastorales du Niger, Kapan. El Hajj El Mansour Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. bon à la date d'aujourd'hui, est-ce que tous les 12 464 villages agricoles ont pu s'aimer Je vous remercie donc euh, de l'occasion que vous me donnez pour donc euh, faire un peu la situation de la campagne agricole au niveau national. Et par rapport à votre question, donc euh, à la date d'aujourd'hui, a quelques 784 villages, ce qui représente donc 78% des villages agricoles, 12 464, qui ont pu réaliser leur semis. Donc euh, tous les villages n'ont pas semé. Il y a 78% de ces villages-là qui ont semé, et contre 80% euh, l'année dernière à la même euh, date. Peut-on parler à ce niveau de retard et oui, retard par rapport à l'année précédente, mais quand on prend globalement la moyenne des 30 dernières années, ne sont pas encore en retard. Il s'agit beau, quelles sont les dispositions prises euh, cette année par le gouvernement pour mieux accompagner les paysans et les producteurs Oui, par rapport donc euh, à l'accompagnement des producteurs, et le gouvernement chaque année donc fournit donc des efforts euh, importants pour accompagner donc ces producteurs là, notamment un intrant. Et les intrants, ce sont donc les semences, les engrais et les produits phytosanitaires. Et, par rapport donc euh, aux semences, quelques 5000 tonnes de semences de variétés améliorées ont été déjà placées donc au niveau des villages pour donc apporter un appui aux populations euh, qui ont perdu leurs semences suite à la campagne de 2018 et qui ne sont pas donc dans la possibilité d'acquérir des semences de bonne variété. Et par rapport donc euh, aux engrais, la CAIMA a lancé donc une commande de 45 000 tonnes. Déjà, il y a un stock de l'année passée. Donc, ce stock-là est placé donc au niveau des centres de vente, puisque cette année, la CAIMA a signé donc euh, des contrats avec des, privés. Donc, vont essayer donc de vendre des fermes cimentières hein. euh, Oui, il y a des fermes cimentières, mais il y a aussi des privés. Mais de toute façon, l'État va réguler, puisque au début, donc, la Caïma a fixé des prix. Donc la plateforme, les paysans ont trouvé ces prix-là élevés. Maintenant, donc, le, gouvernement donc, va vendre le sac d'engrais, Inch'Allah, à 13 500 francs, comme l'année passée. Donc ce problème-là a été donc résolu. Maintenant, il y a l'aspect encadrement. Et au niveau de, en tout cas, toutes les régions, donc il y a les services d'encadrement, hein, euh, qui ont donc déployé donc les agents d'encadrement de, base pour apporter donc un appui conseil donc euh, aux producteurs, depuis la commune, en passant par le département jusqu'au niveau régional. Donc des dispositions ont été prises. Et ces encadrements là se passent euh, surtout au niveau des champs écoles. En tout cas, c'est dans les champs écoles que nous formons. Des champs-écoles Des champs-écoles, ça dit que c'est des lieux d'encontre où donc des, producteurs se rencontrent pour donc analyser leur culture. Et chaque semaine, depuis le début de la campagne jusqu'à jusqu'à sa fin. Donc c'est une nouvelle forme de vulgarisation, puisque avant c'était la vulgarisation linéaire, mais ça n'a pas marché. Et cette fois-ci, les champs écoles prennent la différence, la grande différence, c'est par rapport à la demande. C'est le paysan qui demande par rapport à ces difficultés qu'il rencontre. Et ce sont ces difficultés qu'on essaie donc de résoudre avec lui, de trouver des solutions avec lui et pour qu'il soit expert de son champ. Donc c'est ça donc euh, la nouveauté. C'est vraiment basé sur la demande. Ce n'est plus la vulgarisation linéaire où on pense qu'il y a une technologie qui a marché ailleurs et qu'on prend pour imposer. Et ça, ça a, ça montré ses limites. Maintenant, donc, on essaie donc de prendre en compte les préoccupations, du producteur. Il s'agit beaucoup qui parle du préparatif de la campagne agricole, pense également euh, à la disponibilité euh, des produits phytosanitaires en cas d'attaque d'ennemis de culture. Quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour véritablement lutter contre ces ennemis de culture merci. Et par rapport à ce niveau, donc, euh, dès donc, le début de la campagne, la direction de la protection des végétaux donc, a placé des stocks au niveau de toutes les régions et les régions ont placé donc des stocks au niveau des départements. Donc euh, dès qu'il y a attaque et les produits sont disponibles donc euh, pour lutter contre les ennemis de culture. Et à cette date, la situation sanitaire est calme. Il y a quelques attaques de, de sur environ 310 hectares, mais c'est de faible euh, ampleur et les dispositions ont été déjà prises pour donc enrayer ces ennemis de culture. Maintenant, par rapport aux grands ennemis, donc les criquets pèlerins, donc il y a le centre de lutte anti qui a pris des dispositions et qui est donc actuellement en mission donc dans la zone de Temestana, donc pour faire donc des prospections par rapport à ces ennemis-là. En tout cas, toutes les dispositions sont prises pour une bonne préparation pour bien lutter contre ces ennemis de, de, culture. Dans le cadre de la lutte contre ces ennemis de culture, est-ce que les paysans et les producteurs ont leur mot à dire oui, ils ont leur mot à dire, puisque vous savez, au niveau de chaque euh, village, il y a des brigadiers phytosanitaires. Donc, c'est des producteurs qui ont été formés hein, en cas d'attaque. Donc, c'est eux qui vont et lutter, en tout cas, donc, euh, apporter leur appui aux producteurs pour lutter donc, par rapport à ces, à ces ennemis de culture-là. Il y a aussi donc des, des communes, des communes donc qui appuient donc les producteurs et en produits phytosanitaires. Et donc ce sont donc les coopératives donc qui gèrent ces, ces produits phytosanitaires. Donc le, paysan il a bien sûr son mot à dire puisque le principal concerné c'est lui. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu déjà des premiers cas d'attaque enregistrés euh, oui, c'est ça que je disais au début. On a observé quelques attaques, mais de faible ampleur de soturio et notamment donc euh, à Dungas. Hein. Et il y a aussi donc des rongeurs à Tanout. Mais tout ça, donc, c'est des faibles ampleurs et des dispositions ont été prises donc pour lutter contre ces ennemis de culture. Il s'agit de quelle est la situation de la campagne agro-silvopastorale 2019 Globalement, en tout cas à cette date, euh, la situation elle est bonne. Et quand on prend donc le développement des cultures, donc euh, nous observons donc de la levée donc euh, et au début montaison dans les régions de Dosso, Tawa, Maradi et Zander. Ça c'est pour les céréales. Pour les légumineuses, c'est-à-dire l'arachide et, le niébé, donc euh, le stade va donc de la levée à la croissance. Et globalement, la situation, elle est bonne. est Et avec euh, l'allure donc, actuelle donc, des pluies, donc, si, la si, les, tendances se maintiennent. Voilà, nous, allons donc, euh, en tout cas, nous, pourrons espérer de bonnes productions. El hajj mansour Mohamed, quelle est la situation de la campagne agro-silvo-pastorale 2019 selon le CAPAN Le CAPAN, c'est le collectif des associations pastorales du Niger. Par rapport à la question, à la, situation pastorale au Niger, et en lien avec les, informations que nous recueillons régulièrement avec nos systèmes de collecte d'informations, c'est que la campagne hivernale s'installe progressivement bien. Et aujourd'hui, quand vous prenez la zone de, Maradi, dans la zone nord Maradi, n'est-ce pas, nord d'Akoro, Bermo, qui est quand même un réservoir d'animaux, les pluies s'installent progressivement et les animaux sont actuellement au nord. Ils attendent quand même que, que la situation s'améliore davantage pour continuer leur poussée vers, vers le nord. C'est la même chose pour la question pour le nord dans la zone de Tanout. Tant vous avez aussi là-bas les mares quand même, il y a de l'eau dans les mares. Là-bas aussi, c'est qu'il y a un peu de fourrage. Et également les animaux aussi là-bas au nord de Tanout sont là-bas en attente, en attente pour continuer leur progression vers les, les terres salées. Vers Ingal Vers Ingal. Donc quand vous prenez aujourd'hui la question, la, euh, la par exemple, le de Tilabiri, vous allez voir par exemple dans le département de Tilabiri, peut que la même chose, c'est qu'il il y a eu des pluies, il y a quelques mares, mais le fourrage n'est pas ce que nous voulons encore, n'est-ce pas C'est la même chose pour, la, pour le, département de Banclaré. Dans le département de Banclaré, euh, récemment, ils ont reçu de grandes pluies dans les régions, dans les zones de Lamdou, euh, Patalkolé, Et ça, c'est des grosses pluies qu'ils ont reçues. je pense que si c'est d'autres pluies, si on reçoit encore une si autre les tendances se maintiennent. voilà, et vraiment, on va, euh, elles seront quand même à l'aise par rapport aux animaux. Maintenant, quand vous prenez le, département de la zone d'Abalak, quand vous prenez le nord, le nord Abalak, c'est là-bas où il y a actuellement les animaux. Il y a eu des pluies, il y a de, quelques mares. Mais là également, les animaux sont là-bas en attente de continuer vers Ingal. Ils attendent que la situation s'améliore davantage pour euh, continuer. Pour le cas de baraden à l'ouest de Chantebaraden, ils ont reçu quand même de pluie. Il y a euh, quelques, quelques fourrages. Et c'est la même chose pour le nord-ouest de, de Pour le, le, département de Tawa, quand vous promenez le nord, le nord Tawa dans, les zones de, euh, dans la zone de Takanamat et autres, vous allez voir que les mares sont. Il y a de l'eau dans les mares. Et le fourrage n'a pas atteint le stade que, que souhaite en tout cas l'élevage. Donc c'est une question, je pense que c'est une, une, question de temps. Nous sommes aujourd'hui le 10 juillet, je pense que le choses, si les tendances se maintiennent, je pense que la situation va, va s'améliorer. Les petits ruminants, ils s'en sortent très bien. Donc vraiment, de façon générale, ce que la, campagne hivernale est en train de s'installer progressivement bien pour les éleveurs pasteurs. Le souhait, c'est que cette tendance se maintienne et nous pensons que ça va à l'avantage de l'éleveur pasteur. Elhaj Al-Mansour Mohamed, quelles sont les difficultés que rencontrent cette année euh, ces éleveurs-là Les éleveurs cette année en tout cas, au niveau de, de Capane, nous n'avons pas reçu beaucoup de, plaintes par rapport. Vous savez, nous avons eu, une campagne agricole, euh, une campagne pastorale excédentaire. Nous avons également constaté que le, le dispositif de l'État, en lien avec euh, le placement de l'aliment bétail, il y a eu quand même des innovations par rapport en tout cas à l'accès et à l'accessibilité de ces intrants-là à l'éleveur pasteur. Euh, de notre point de vue, ce sont des éléments qui ont quand même aidé l'éleveur à surmonter un certain nombre de difficultés. Maintenant, euh, les autres difficultés, vous savez, il y a des difficultés exogènes, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir, euh, qui concernent non seulement les éleveurs pasteurs, mais ça concerne également tous les, les, paysans du Niger. Je pense que vous savez, vous savez de quoi je parle. Elhaj Al-Mansour Mohamed, quelles sont les difficultés euh, de ces, mêmes éleveurs euh, en lien avec euh, l'insécurité, notamment à Difa et le nord Tilaberi La difficulté, c'est que quand, qui parle de l'insécurité et, des crimes transnationaux organisés, comme nous le constatons, au Sahel, c'est que certainement des activités vont prendre un coup. L'élevage est basé sur la mobilité sur la recherche de ressources naturelles euh, et qui sont éparpillées un peu partout. Et, pour ce cas, justement, vous le constatez que nos éleveurs, dans certaines zones, n'ont pas accès à ces ressources naturelles-là. Quand vous prenez le nord de la baie, d'ailleurs dans la zone du Difa, c'est aussi le même problème, c'est que les éleveurs sont obligés de se, replier dans des zones agricoles, n'est-ce pas, où il pourrait avoir risque de conflit. Et vous savez aussi la surcharge d'animaux dans, dans une zone ça contribue à aussi à la dégradation, n'est-ce pas Donc, ces problème là nous le voyons dans, le, dans, les régions, dans le départ de la région de Tlaberi, nous le voyons dans le départ de la région de Tawa, et dans la région de, Maradi. De, Difa et Maradi. Vous savez, Maradi aussi, c'est une zone parfois aussi des, des, conflits. Donc, cette question de, des bandits armés, de touristes, etc., etc., ont une conséquence négative sur notre élevage. Et vous, si, vous voulez, vous pouvez le constater, il suffit de voyager dans la région de Tlaberie, vous allez constater que les éleveurs n'ont plus accès à certaines zones riches en pâturage. Si vous y accédez, ce que vous, avez, vous prenez le risque de perdre votre vie et même le Et même le cheptel. Parce que régulièrement, on reçoit quand même des informations par rapport à certains actes crapuleux n'est-ce pas, euh, lié à ces bandes armées. Vous savez, cette question d'insécurité euh, transnationale organisée, c'est qu'il y a du tout. Il y a ce, ce, ce qu'on appelle les touristes, etc. Vous avez également les grands voleurs, des, grands voleurs. Vous avez tout. Et malheureusement, l'éleveur est pris en auto dans ces zones-là, n'est-ce pas, par rapport, en tout cas, à son activité. Ça, c'est un problème réel Alaj Al-Mansour ah, ah, Mohamed, à ce niveau, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour euh, éviter euh, à ces éleveurs-là de continuer à patauger vers euh, ces zones de conflit Vous savez, nous, nous, nous faisons du plaidoyers également pour la sécurisation des saints pastoraux. Nous faisons également la sensibilisation de l'information. C'est pourquoi nous avons ce que nous appelons les tribunes pastorales. Et nous avons l'habitude d'organiser des forats en lien avec le PRAPS et autres pour la sensibilisation et l'information. Pour que, euh, face à des situations exceptionnelles, que l'éleveur prenne des mesures exceptionnelles, parce que toute situation exceptionnelle mérite une mesure exceptionnelle. Et on va dans ce sens-là de sensibilisation. Mais vous savez que souvent les gens sont trop attachés à certains milieux, etc., etc., etc. Mais c'est généralement à travers les antennes régionales de Capan que nous faisons ce genre de sensibilisation pour donner la bonne information à l'éleveur, pour lui dire en tout cas euh, les risques qu'il encourt et pour qu'il prenne enfin des dispositions pour sa sécurité personnelle. C'est de mon point de vue, et cela est valable pour les, sédentaires. Parce que quand tu prends le nord de la autant les sédentaires sont victimes des exactions de ces, de ces bandes armées, autant les éleveurs également sont victimes. Et toutes ces communautés-là rurales, n'est-ce pas, obligé, en lien avec nos encadrements, que ce soit les CAPAN ou, l'État ou d'autres personnes, de les sensibiliser pour qu'ils réduisent au minimum les risques en cours dans ces zones-là. Et là, Al-Mansour Mohamed, quelle est la situation sanitaire du cheptel En tout cas, par rapport aux informations que nous recevons actuellement de, part de nos, de nos membres et pas, de nos structures, c'est que euh, la situation elle est, elle, est bonne. Vous savez que euh, cette année, l'État du Niger, quand même, a déployé des, des, ressources énormes pour la vaccination du cheptel. Il y a eu le déparasitage du cheptel. Il y a même des structures, des ONG qui ont aussi appuyé les services techniques dans le cadre du, du parasitage du cheptel. Je vois la Croix-Rouge qui a, qui a également mis en place des aliments bétail dans certaines, dans certaines zones. Pour vous dire que euh, la situation, elle est, elle est bonne parce que tout simplement l'État a pris le devant en, mettant en place tous ces dispositifs pour sécuriser le cheptel, n'est-ce pas, de certaines maladies. C'est un constat, vous pouvez le, vérifier, n'est-ce pas, euh, par rapport en tout cas à la, à la, vaccination, à l'appui de certains partenaires à sécuriser ce, ce cheptel-là. également sur Mohamed, quelles sont les dispositions prises par le CAPAN en termes d'appui, conseil et assistance aux pasteurs et éleveurs Vous savez, comme je dis que le CAPAN, qui est un collectif de plaidoyer pour la sécurisation des systèmes pastoraux, nous, non seulement nous, remontons certaines préoccupations des élèves pasteurs que nous recensons à travers nos actions à la base. N'est-ce pas Vous avez parlé de la question euh, souvent de sécurité, la question euh, aussi des entrants, la question en tout cas des, conflits possibles. Ce sont des, des préoccupations. L'accès au point d'eau. L'accès au point d'eau ce sont des préoccupations que nous relevons et que nous remontons. Et à chaque fois qu'il y, a une situation, genre conflit latent, etc., qu'on nous remonte à travers les rapports, nous, nous essayons d'aller dans la zone pour euh, organiser des rencontres, n'est-ce pas Et les tribunes pastorales que nous organisons vont dans le sens, n'est-ce pas, de mettre en, relation les, les, les éleveurs pasteurs les agriculteurs, les, chefs traditionnels, les services techniques, n'est-ce pas, commissions la commission fonctionnaire, n'est-ce pas, et les leaders, pour échanger sur, les préoccupations locales. C'est ça que nous faisons de temps en temps pour détecter les signes possibles de conflits ou des préoccupations locales afin de construire tout un plaidoyer auprès des pouvoirs publics ou de qui de droit pour euh, solutionner ces euh, ce problèmes-là. C'est ça que nous faisons régulièrement. Et vous savez, vous nous régulièrement à Engal, quand nous partons, nous avons chaque fois des thèmes de plaidoyer par rapport aux préoccupations des éleveurs, parce nous l'avons fait la dernière à Engal devant l'autorité actuelle, euh, le Premier ministre, etc. Nous l'avons fait dans le sens d'attirer ou de sensibiliser les décideurs sur un certain nombre de préoccupations des, des, des éleveurs pasteurs. Vous savez, l'élevage, Aujourd'hui, les gens en parlent, mais l'élevage, aujourd'hui, presque tout le monde pratique l'élevage. À 87%, presque tous les villages pratiquent l'élevage. Tous les villages, même les sorails pratiquent l'élevage. Donc, tout le monde. <laughs> Donc, c'est une activité qui doit avoir, en tout cas, si on veut transformer le parce que chaque fois que vous parlez, on parle de la transformation du Niger. Zaleka autre là pour qu'on profite mieux de, de, de, de la zone de libre-échange libre euh, continental. Pour qu'on livre, eh on ne peut que mettre en avant l'élevage et ce sous produit C'est ça qui peut nous mettre, nous, quand même, qui peut nous permettre de mieux profiter de ce grand marché qui, si vous n'êtes pas compétitif, si vous n'êtes pas organisé, vous risquerez de, de, ne rien vendre. Mais nous, heureusement, nous avons nos, notre cheptel. Et c'est sûr que si l'État de Niger crée les conditions nécessaire, n'est-ce pas Nous allons mieux profiter de ce chapitre là et nous allons eh, effectivement eh, améliorer le revenu de vie, non seulement des élèves pasteurs, mais de tous les Gériens, à travers les filières et à travers les chaînes de valeur. Alors, El Mohamed, selon vos propres informations, quelles sont les zones à risque les zones, euh, on ne nous a pas, en tout cas, parce que quand, on vient ici, on, a tout, on se base sur un certain nombre d'affaires, que nous recensons. Pour l'instant, si on peut parler des zones à risque, c'est probablement les zones déficitaires de la campagne précédente. précédente. Par exemple, la région de Difa, c'est une zone déficitaire, doublement déficitaire. Déficitaire par rapport au fourrage. Voilà, euh, et, voilà la question des conflits de Boko Donc, c'est des zones, de mon point de vue, qui méritent une attention particulière. Vous avez la région de également, qui est une zone aussi déclaré déficitaire par rapport à la campagne passée. Et Niamey, qui est une zone euh, déficitaire, je pense que c'est des zones, si vous me demandez des zones sur lesquelles il faut, il faut donner plus d'attention, c'est peut-être ces zones-là qu'il faut un peu surveiller parce que la campagne passée les déclare déficitaires. Al-Mansour Mohamed, quelle est la situation du pâturage Nous sommes au stade, hein, ça c'est une question qu'il faut poser aussi aux services techniques qui vont vous donner le stade... Euh, de, ce pâturage-là. Mais nous, nous savons qu'aujourd'hui, le pâturage est en train de, se, développer. Mhm. Et c'est pourquoi je dit que les petits ruminants, ils arrivent à s'en sortir. Ils arrivent à s'en sortir bien. Et euh, je l'ai dit tout à l'heure que si vraiment les tendances se maintiennent telles, nous pensons que le pâturage, nous l'aurons comme nous le voulons. Parce que je vous ai dit que les éleveurs passèrent par endroit, quand ils prennent le nord Tanout, ici entre Dakoro et Bermo et Abalak, entre Abalak et, nord Abalak, etc., les éleveurs sont dans ces zones et, ils attendent, ils attendent que la, situation s'améliore mieux pour aller en direction du d'Ingal. Issa beau du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Quelles sont les dispositions prises cette année par votre ministère pour mieux accompagner les pasteurs et leurs cheptels et Merci. Et par rapport à cette euh, question, d'abord, la situation pastorale euh, elle est globalement satisfaisante. Donc, euh, la situation herbacée, les herbes sont en train de pousser un peu partout, normalement, surtout dans la zone et d'élevage. Et par rapport à l'accompagnement donc euh, des éleveurs, le ministère a pris donc euh, un certain nombre de dispositions, dont notamment donc euh, la vaccination donc des animaux. Il y a les aliments bétail. Hein, le ministère, avec ses partenaires, la FAO et le système, la cellule crise alimentaire, donc ont mis en tout cas à disposition donc des zones hum, qui ont connu des difficultés l'année passée, donc d'importantes quantités en aliments bétail. Donc euh, globalement, le ministère est en train de fournir donc euh, des efforts pour mieux accompagner les, les éleveurs. Issa est-ce que euh, les associations pastorales et les associations paysannes peuvent aider le ministère en termes d'encadrement, à appui, conseil sur le terrain oui, vous savez, on a mis en place euh, un système national de, conseil agricole. Et l'État, avec ses services techniques, ne peuvent pas tout faire. Il faut nécessairement les autres partenaires. Et les autres partenaires, il y a, ce sont surtout les OPI, les organisations paysannes et les ONG. Donc, euh, ils peuvent apporter un appui considérable par rapport à l'encadrement. Et notre politique euh, est que c'est de renforcer en tout cas le, privé. Le système national de conseil agricole, il est composé de deux parties, à la partie le dispositif public et le dispositif euh, privé. Et le dispositif privé, le ministère et ses partenaires sont en train donc de déployer donc des efforts pour renforcer leurs capacités. Et cette année, nous avons un grand programme de formation. Tout à l'heure, je vous parlais donc euh, des champs écoles. Donc l'approche, c'est des champs écoles agro-pasteurs. Et donc cette année, donc, nous avons donc des, des programmes donc, euh, pour former donc, euh, les organisations paysannes. Quand je dis organisations paysannes, c'est y compris la production végétale et la production animale. Donc ces organisations paysannes-là, c'est eux qui vont prendre donc, le relais pour donc encadrer mieux encadrer donc euh, les producteurs donc au niveau de leur terroir. Donc euh, moi je pense qu'ils ils jouent un rôle très important et ils vont continuer à jouer un rôle très important. Ils sont indispensables dans le dispositif euh, d'appui conseil. alors M. Mohamed, vous avez quelque chose à ajouter Oui, non, non, c'est sûr, ce qu'il a dit, c'est c'est qu'effectivement, nous, il y a, a, a l'agence de la promotion du conseil agricole qui va plus tout ça dans euh, le CAPAN, à travers Mambodis Personne, et membre du conseil d'administration. Nous, avons, nous venons de faire notre, deuxième, notre premier conseil d'administration euh, pour l'année 2019, euh, n'est-ce pas et, mon souhait le plus ardent, c'est qu'on va vite pour nommer le directeur général de l'APCA, l'agent de, promotion du conseil agricole, pour qu'on aille un peu plus vite ce morceau ardent. Maintenant, euh, ce que j'ai à dire, c'est que dans, dans ce que vous allez faire en termes de formation, en termes d'appréciation, comme nous l'avons toujours dit, c'est qu'il faut tenir compte effectivement des spécificités et des besoins de chaque acteur. Aujourd'hui, le, le, le, vulnérable, un vulnérable éleveur, pasteur, et, et la façon de l'apprécier, c'est différent d'apprécier un agriculteur, de mon point de vue. Nous l'avons toujours dit, dans, même au niveau du dispositif, c'est qu'il faut, euh, quand, vous quand vous analysez la question des vulnérabilités ou les besoins des Nigériens ou des paysans, il faut tenir compte de ces spécificités-là, n'est-ce pas, si on veut en tout cas réussir en tout cas euh, nos politiques publiques. s'agit bon euh, Comment faire aujourd'hui pour éviter ou faire face aux effets des aléas climatiques donc avant de venir à cette question-là, j'aimerais préciser que le rôle de champ école dont je viens d'évoquer, c'est de prendre en compte donc, les vrais besoins donc, euh, des producteurs. Quand il dit producteur, c'est la pollution animale et végétale. Donc, euh, on pose d'abord, nous posons d'abord donc des diagnostics hein, pour avoir donc les, contraintes, les vraies contraintes donc de ces producteurs-là avant donc euh, d'envisager donc le programme de formation. Donc ça, je crois qu'avec ce dispositif, euh, nous sommes sur le bon chemin. Maintenant, par rapport euh, au, changement climatique, donc le changement climatique, c'est une réalité. Hein. on n'en doute plus. Et il y a en tout cas des, des techniques hein, qui, qui, peuvent donc permettre d'être résilient, hein, donc d'atténuer les, les, effets des changements climatiques. Et au niveau de la production végétale, par exemple, je peux citer donc les semences de variétés améliorées, améliorées voilà, qui sont vraiment adaptées parce qu'il y a des semences pour chaque type euh, de, et de zone. Donc, les semences de variétés améliorées sont donc établies en fonction de la pluviométrie et, et de la zone écologique. Donc, euh, en plus, les semences euh, de variétés améliorées, il y a aussi les, techniques culturales hein, donc, qu'on est en train d'améliorer. Par exemple, le, le système de Zaï, les demi-lunes, tout ça, donc, ça permet donc d'améliorer la pollution est végétale. donc il y a aussi donc euh, et toutes euh, ces gammes de sensibilisation, d'information, qu'on apporte euh, aux producteurs pour qu'ils arrivent à comprendre donc la réalité donc du changement climatique. Mohamed, au niveau du CAPAN, quelles sont les dispositions prises pour le respect des couloirs de passage les, dispositions, ce que vous savez, comme nous l'avons nous, l'avons dit, nous, dans le cadre de nos activités terrain de sensibilisation, euh, en lien avec euh, les, autorités locales, hein, les services et autres, c'est des questions que nous relevons chaque fois et que nous remontons également parce qu'aujourd'hui, vous le savez très bien que ces questions-là existent. Dans, existe effectivement la question du couloir de passage, du couloirs grignoté, etc. etc. Et c'est là où nous avons espéré que la, politique foncière que nous sommes en train d'élaborer, vous savez qu'il y, euh, y, a un comité national qui est en train d'élaborer certainement nos amis du ministère peuvent en donner plus de détails, Ils sont en train d'élaborer une politique foncière. Et dans cette lutte foncière-là, les, les, associations pastorales et toutes les organisations paysannes ont leur mot à dire. Et euh, c'est dans cette politique également que nous voulons, nous voulons que, euh, en tout cas, rattraper ce, ce qui c'est euh, les préoccupations en lien avec le domaine foncier pastoral, particulièrement. Parce que c'est un domaine euh, public de l'État, mais sur lequel l'éleveur lui-même, n'a aucune emprise. C'est pourquoi celui qui veut, il vient, il fait ce qu'il veut, etc. Contrairement au domaine, euh, au foncier agricole où c'est mon champ, je connais la limite de mon champ, etc., etc., Donc, nous, nous, contribuons beaucoup à, la sensibilisation, du tantôt, n'est-ce pas, des éleveurs eux-mêmes. Souvent, euh, qui sont parfois, euh, dans certains cas, complices de, certaines, certains griotages, parce que parfois on passe par les éleveurs pour coloniser certaines terres pastorales. N'est-ce pas On les sensibilise. On sensibilise également les services techniques et dans les réflexions publiques, nous apportons notre contribution pour améliorer cette gouvernance foncière-là. N'est-ce pas Il faut, n'est-ce pas, notre lutte aujourd'hui, c'est d'assurer une véritable intégration entre l'agriculture et l'élevage. Un élevage ne peut se faire sans terre pastorale, un élevage ne peut pas se faire sans mobilité de troupeau, n'est-ce pas un, élevage ne peut pas, se faire sans hydraulique pastorale, un élevage ne peut pas se faire sans air de, repos des animaux. La préoccupation aujourd'hui, la lutte aujourd'hui, en lien avec ces questions de, de, pastoral, c'est que qu'on se dise qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans l'élevage et on ne peut pas vivre sans l'agriculture euh, végétale, n'est-ce pas En principe, chaque village, c'est à nous de nous organiser, que chaque village ait son aire de pâturage, n'est-ce pas Où tous les animaux du village vont être là-bas, etc. C'est une organisation qui profite à tout le monde et qui profiterait au pays, puisque l'élevage aujourd'hui est urbain. Tous les villages aujourd'hui ont des animaux ont des bergers pour les, etc. Donc, c'est des éleveurs ou agro-éleveurs. Donc, euh, il faut qu'on se de cette idée que l'élevage, c'est pour les autres, uniquement pour les autres. Non. L'élevage, tout le monde, c'est pour tout le monde. Chaque village a ses animaux. C'est pourquoi il faut qu'on fasse, qu'on aille vers un bon aménagement du territoire pour que ce qui est réservé à l'agriculture le soit, ce qui est réservé à l'élevage le soit, ce qui est réservé aux écoles le soit, ce qui est réservé à la distraction de soi, parce que même les enfants ont besoin de distraction. Vous voyez à Niamey comment les enfants jouent le football sur le goudron, parce que les gens ont tout, ont tout bradé, etc., Il faudrait que chaque, chaque Nigérien, chaque groupe, chaque secteur d'activité puisse avoir son espace où il va bien vivre pour l'intérêt du pays. Il s'agit beau, en cas de retard de semis dans une localité donnée, quel conseil auriez-vous à donner aux populations de cette localité Bon, on ne souhaite pas, mais si ça arrive, nous conseillons l'utilisation de semences de variétés améliorées de, de niébé. Voilà. Et, par rapport, en tout cas, il faut savoir que maintenant, la principale campagne agricole au Niger, c'est la campagne donc, euh, des cultures irriguées. Donc, nous avons un grand programme de campagne de culture irriguées. Et nous avons déjà donc, euh, le programme Opération Bourti de Manioc. Hein, donc, euh, qui a été donc relancé depuis 2015. Et nous voulons donc adjoindre à ce programme-là un autre programme de, de culture de pommes de terre. Donc nous avons donc un ambitieux programme de près de, 3, de 300 000 hectares de culture de manioc et de pommes de terre. Donc nous conseillons en tout cas là où il y a donc, la possibilité donc, de faire donc, les cultures irriguées, donc de mettre beaucoup l'accent sur les cultures irriguées. Maintenant, euh, par rapport à l'hivernage même, s'il y a un retard, c'est donc euh, d'utiliser donc euh, des semences de cycle court, comme le nibi par exemple. Issa euh, à présent, quels sont vos conseils, recommandations pour une meilleure campagne agro-silvo-pastorale 2019 au Niger Et donc, je demanderai donc euh, aux paysans, en tout cas aux producteurs, donc, euh, de signaler à temps tout problème, donc, soit lié donc, à la situation phytosanitaire, à, la sécheresse, donc aux services techniques qui vont remonter l'information pour que donc les, les décideurs prennent donc des décisions à temps. Alaj Almassour Mohamed, à présent, quels sont vos conseils, recommandations pour une meilleure campagne agro-silvopastorale 2019 au Niger Oui, merci. Maintenant, par rapport euh, aux dispositions, nous, nous souhaitons quand même qu'il y ait un bon suivi de cette campagne-là. Vous savez, il y a la question des numéros de culture, la question des maladies animales émergentes, etc., etc. Nous, et la question également de la sécurité des, des, éleveurs pasteurs qui sont en train de se vouloir se mouvoir Tous ces éléments-là, nous, nous souhaitons que l'État, n'est-ce pas, est euh, un regardant par rapport à tous ces aspects-là. La question de la santé animale, la question de, des ennemis de culture, n'est-ce pas, qui, qui, peuvent attaquer également le forage pastoral n'est-ce pas, la question de la sécurité, euh, la question de, de, de, la gestion des conflits. Parce qu'il peut, il peut arriver euh, ce genre de situations peuvent arriver dans les parcours des éleveurs pasteurs. Nous souhaiterons notamment les conflits entre agriculteurs, et éleveurs. Nous souhaiterons que euh, non seulement nous autres organisations pastorales, mais également les services techniques, les communes qui ont un rôle à jouer dans le cadre de la centralisation, qu'ils euh, essaient de, surveiller de près tous ces aspects-là. Selon nos invités, toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement pour mieux accompagner les paysans, les producteurs, les pasteurs et leurs cheptels. Et selon toujours eux, si les tendances des pluies régulières se maintiennent, la campagne agro pastorale 2019 sera globalement bonne au Niger. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Issa Jibo, directeur de la vulgarisation et du transfert de technologie à la direction générale de l'agriculture au ministère de l'agriculture et de l'élevage, et El Haj El Mansour Mohamed, secrétaire général du collectif des associations pastorales du Niger, Kapan. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 38 radios partenaires. Merci, au revoir.